Par rapport toujours à la publication des résultats de l'indice de développement humain IDH par le PNUD, Télé-Sahel revient cette fois-ci en 2005 lors de l'interpellation du gouvernement par les députés sur cet indice, suivant les extraits des interventions du Premier ministre de la Ve République, Hamamadou, actuel président de l'Assemblée nationale, et du député Sanoussi tambéry Chakou. Je le dis haut et fort, si au Niger, nous ne créons pas les conditions pour rabaisser le taux de croissance démographique, le malheur des Nigériens et les péchés que les parents vont commettre au niveau de Dieu seront incommensurables. Tu sais de quoi je parle. Mais par euh, esprit et politicien, tu veux ameuter les marabouts contre moi Mais ameute-le. Je le fais en toute conscience et conformément à mes responsabilités, mais appelle le ils vont demander à Dieu. Et la plupart des marabouts, eux, ils savent ce que c'est Dieu, ils savent ce que je dis là est vrai. Alors si, par calcul politicien, tu poses des problèmes de ce genre, eh ben, tu sais bien que ce n'est pas l'intérêt du Niger que tu cherches, c'est son malheur. En tout cas, l'espacement des naissances et les problèmes de, les problèmes de contrôle des naissances tout ce qui peut permettre de ralentir le nombre de naissances est important à faire. C'est facile. Un chef de famille qui a 35 000 francs de salaire et qui a 25 gosses à nourrir, il nourrit combien Les autres sont dans la rue. Ces gens qui sont dans la rue, n'ont aucune éducation. Ils sont un danger pour toute la société. Donc, plutôt que de les jeter dans la rue, d'en faire des malheureux, des souffrants, et qu'ils fassent souffrir les autres après, il vaut mieux demander à Dieu, tout doucement, d'éviter de les avoir. Monsieur le Président, Allahu Akbar, Yaku musulmane Niger, wanda Kouké buɗa gashi, Niger, kuna Nanko, Wana lokaci kuna Tamba, kuna Tcha, shin wai Niger Sunka Gamekai de turawa ana son a hana matan ku haihuwa ana son a rage haihuwa su wane ne wane ne ke ci da ku in ba Allah ba da ku wani nasara yake ci da su a'a gashi wannan wanda yake son a rage haihuwa ham Ahmadu ne yau ya faɗe shi ga takardar shi ya rubuta ku san da sani malamai merci vous avez dit monsieur le premier ministre que vous allez faire en sorte que la justice soit renforcée et que la séparation de pouvoir soit réalisé effectivement. Mais pendant cinq ans dans le domaine de la justice, qu'est-ce qu'on n'a pas vu Vous avez cherché à museler la justice. Vous avez cherché à museler un certain nombre de juges. Et vous avez confectionné un ministre de la justice à votre modèle, monsieur le Premier ministre. Et voilà ce que vous avez fait. Et même les magistrats de ce pays, même les magistrats de ces pays ont reconnu que la justice nigérienne est tordue et que vous l'avez mise au banc de l'histoire et vous êtes là en train de tâtonner pour chercher à la réformer avec votre projet de loi que même vos partisans ici à l'Assemblée nationale ont refusé d'examiner. Ça, je vous l'ai dit. Donc la justice, zéro. Et on sait qu'aujourd'hui dans ce pays-là, vous êtes les champions de l'emprisonnement sans cause et de l'emprisonnement sans raison. Depuis la Première République, on n'a jamais vu les prisons nigériennes remplies d'autant de militaires. Pratiquement, vous avez emprisonné au moins 400 militaires, vous avez emprisonné au moins 400 civils, vous avez emprisonné des journalistes, vous avez emprisonné des hommes politiques. Monsieur le Premier ministre, avec votre ministre de la Justice, votre obligé, Monsieur le Premier ministre, vous êtes en train de piétiner la justice. Vous êtes en train de poser le règne de l'iniquité et surtout de l'impunité. Ils prétendent qu'ils veulent renforcer la démocratie et l'approfondir, mais en fait, ils veulent museler le peuple mais vous ne pouvez museler personne. Et je félicite les responsables de la coalition Équité, le jeune Nouhou les le jeune Marou, le jeune Mustafa Kadi, qui, en ce temps où vous n'écoutez personne et où vous n'écoutez le peuple et où vous ne tenez pas du tout compte de l'opinion du peuple, on vous vous ont amené à genoux et vous ont forcé à vouloir signer un protocole d'accord diminuant la peine du peuple. Merci, Monsieur le Président.